kalkanayno katilabu arzaka irma cardi gate nyafo da baba fallon a gaishe ku 'yan mata zancen ku yayi Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Tous à la Fada, votre émission consacrée à la jeunesse active du Niger. Cette semaine, nous parlons de culture au Niger, notamment les conditions de vie de travail de nos artistes. Ils sont nombreux, ces jeunes Nigériens, très talentueux et très motivés qui s'adonnent à l'art et à la culture à travers diverses disciplines tels que les arts du spectacle vivant, la représentation devant un public. Comme disait Nadage, la culture est au début et à la fin de tout développement. Alors, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils exercent comme métier À quoi ils aspirent Pour quels résultats Qu'est-ce qui les freine et qui empêche leur ressort Comment y remédier Beaucoup de questions restent posées et Dondi va se charger de vous trouver des réponses. En quoi faisant eh bien, en allant à la rencontre de ces artistes, justement pour échanger sur le thème, la culture nigérienne, comment venir à bout des obstacles qui freinent les jeunes artistes. Voilà donc notre sujet du jour. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est possible. Vous pouvez participer à l'émission à travers vos commentaires au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tout ça, la FADA, 35 minutes chrono, échange, musique, rubrique, chronique. Mister Olivier, de quoi s'agit-il aujourd'hui Bonsoir mon grand. Comment savoir si une information vient d'une source de confiance ou pas À cette question, comment répondrez-vous, cher ami de la FADA J'espère qu'on aura assez de temps pour réfléchir et on se voit à la fin de l'émission pour faire le point. Nous avons deux flics à Niamey, donc deux flics au CCOG et nous avons eu aussi du fake news en début d'émission. On va en parler dans la chronique. Ah ouais, tout cadre bien. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Tout de suite, la suite. Hey eh. Géographiquement parlant, nous sommes où exactement, Monsieur le Président Ici, nous sommes au Centre culturel Oumar Ouganda. fut l'un des premiers cinéastes nigériens. Et euh, en rendant hommage, on a baptisé euh, ce centre à son nom. Nous recevons cette semaine des artistes et des hommes de culture pour parler du thème de la culture nigérienne. Comment venir à bout des obstacles qui freinent les jeunes artistes Monsieur Bouba Djengare, vous êtes cinéaste, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission. Vous êtes en forme Très bien. Je suis aussi avec deux flics à Niamey, Iboulele et Aboubakar. Nous sommes aussi avec l'homme polyhybride. Alors, polyhybride, ça va bien Ça va très bien. T'as le micro à Bouba. Comment tu vas, Boubakar? Comment tu vas Ça va Oui, ça va bien. Bonjour, monsieur Dondi. Super. Iboulele, tu es en forme aussi Aïe. Je eh. suis avec aussi un jeune artiste, un jeune artiste très talentueux. Il m'a quand même dessiné, si je peux appeler les choses ainsi. Il s'appelle Mokhtar. Mokhtar, how do you feel Comment tu vas Tout se passe bien tu es en forme. Alors on finira et on commencera, si vous avez compris ce que je voulais dire par là, par un tonton, un aîné. Il est artiste, musicien, chanteur, interprète, calé comme on dit international. Galitan, c'est le nom de la formation. Nous vous souhaitons la bienvenue. Comment vous allez, l'artiste Ça va, ça va. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut se faire un maximum de bruit, les and Oui, oui, merci. Nous allons donc démarrer tout de suite et maintenant avec la première série de questions. Monsieur, brièvement, quelle est la situation de la culture au Niger Origi, le président. Faisons l'état, la situation de la culture au Niger. Salam alaikum. To, Niger kilciro dai, ai musate sketch alhali matokan irga bai burfona ce ane hmm. ayakul gam <laughs> <laughs> voilà bon la culture nigérienne vous savez c'est comme l'a dit elle se porte à merveille seulement il faut déceler beaucoup de problèmes aujourd'hui beaucoup de problèmes. Les problèmes qui sont là, c'est que euh, ça se dégrade. Danga haya gogiye banda. Gogiye bandir ma irge kandi problème kulpat. Voilà. Bouba jengare. A ah, kul noir non Donc nous tu es cinéaste. Donc je pose la même question. Comment se porte le cinéma au Niger, Bouba Le cinéma au, Nigérien, au Niger, on peut mm-hmm. dire que, euh, ça va dans l'ensemble. Mais comme ça fait partie de la culture aussi, et qu'en général, notre culture, on dit qu'elle est malade, mm-hmm. je pense que euh, les problèmes ne manquent pas. Voilà. Donc le cinéma est aussi malade. Voilà. Irma Wodi, Ibulele, <laughs> l'humour au Niger. Vous êtes flic à Niamey. Vous avez la situation en main. Comment se porte l'humour au Niger Malade ou bien bien portant En prison ou est dans les airs L'humour. Hein. Hmm. L'humour au Niger, je pense que c'est en évolution. En évolution Parce que là, quand on regarde, je sais pas, 4 ou 5 ans en arrière, c'est. Je pense que ça, ça fait. On peut dire que ça a évolué de 500%. Donc, euh, je pense que c'est ça. 500%. Exactement. Arambi 100% au gars. Eh, tu auras hybrido. Samboumi croit. Namade anka ibulele ci. Aima, aima. Partage la vie avec ibulele wal matanon. Ah, wadungo asin de ba mo kamiya. Aran gogo poussé. Wallahi zama ayo be look to kai sintin. Problème ko du fu mbono son isigidwa. sanga mate problème kan du fu ah lokti non sigi nga ban sintina wal mat ah ah le nga pro eh ba home bum bora na ga bai me ah ta ya. idan fu bure de ganja ah ke man ta ran no ifo da ifo harbin harbin da mon ka e gabara mm. eh ke tele ay ga ba passer tele sahel en falian wodi mon bono e ga problème bere ne ga tonto mm. so ay wetan yango banda ay tangu fun zama ina mena seno grave de manan te ni yin sakin an fon aba aba ko to mbona kan yini ay gal to ay mawodin est-ce que toi tu as rencontré les mêmes problèmes que lui oui avant c'est vrai comme Ibo avait dit parce qu'on est collègues donc euh, voilà vous êtes collègues Ouais, on est collègues. Deux flics à Niamey. Agent 006 et ouais, toi tu es l'agent 00. Voilà. Parce que avant. 5. Euh. <laughs> Parce que avant je voyais l'humour. Avant, avant, ça faisait euh, un, un, pas en avant, trois pas en arrière. Un pas en avant, trois pas en arrière. Maintenant, Arango Maintenant, oui, du côté de la web comédie, ça va. Ça va. Ça commence à Il n'y a pas de souci, on va en parler tout de suite. Adiza. Matagam. ben c'est moi là. ni gina Adiz Tempête. Ou Adiz Mahamman. Eh, ou Adiz Tempête, na igin chenye shango. aimavekuti hadizi mahamon grupu makanine sadisto ngadai nohame dimanta adina adizi mahamanpetoda adizi tampet alma haudeno nugu tunandi tampet gamawara ba harigo kai mane nu kusturande hadiza ine ha <laughs> matkir hangan boresi hanga charoera oh. en principe dine aro igibede kan profession no iri yedo dingala mais ir gonda impression kan ir niger artiste mm. boriyan gono kan sigi da mera mm. matta cinano arawo arandi sanno wo gihimanda en tant qu'artiste yeah, no, zam dine don ko kulinge furkude ni godi bor bobo dine borag bor haran dine ngo dide kan de man vest de cravata go gor biro mm. rano ak dide kan man tugono no goti dine no go no go music moni ban haru igin haru ya to ay go angana chim kware no do zabir go imna bugo go bono to e wan wan niger ayo sika labai o men dame kan go girwindi sam burkina mali manga foyan cote d'ivoire wallahi in music beran diga bisir labo parce que ngay wono dimba i wana president ngay igi dise

aigini de borfon gono borfon mo sigano parce que borongon quand ils vont dire que c'est à cause de la religion mm -hmm. surtout image et camborgte mhm. igene quand c'est interdit par la religion mhm. donc euh, ngono ont isano nos, valeur valeurs quoi isano mhm. valeur et puis les gens préfèrent même pour les étrangers ni dit ni goy hayote achine boron ma igma kani mne niger ni goga produire bor fom isma kani mne ne ni goga il préfère euh, à l'étranger hmm. donc euh, vraiment irgo di difficulté parce que ay mne de iro kan ga kine are ya kine ngo niger ou ngi valeur mbono sino quoi ah. c'est comme euh, la musique à kulu di di samudai domaine art wana wo problème gono les gens rencontrent des problèmes toujours mm vous êtes le président de la Nassim Niamey. Vous avez écouté avec attention les artistes. Pourtant, ce sont des professionnels de métier à part entière. Selon vous, Monsieur le Président, pas de la République, mais de la Nassim. Si au Niger, les artistes roulaient en hammer et construisaient des châteaux grâce à leur métier, Pensez-vous que la société les verrait différemment Parce que je sais que la société regarde d'un bon oeil l'artiste Maliar où vous êtes son manager. Euh, euh, oui, au fait, c'est c'est euh, un couteau à double tranchant. Souvent, quand vous voulez commencer, vous avez toujours des, des, des bâtons dans les roues tout de suite, on va vous empêcher pour vous dire non, c'est pour les castes, c'est ceci, c'est cela, que c'est pas bien. Mais hankulka hane borai dikan haya barmai mazai matokan imuristai na cida so honki diyai igi diyai tele igoga ta ifo ifo borai kan ne ise ai chali chala idin ifo ni ga hayo son ka haya barmai borai mbono go ye kagi encourage to niger wo wodin go er daiga sintina da hay kul sini se borai sidinin fa igin jaja igin igin jance igin te furku ne fam me hay kul ka hane harabar mai kulu borege sentin gingun gane o oh, visa wone wo yakino no ara oh. wone wo yakino no ara ah. to problem bo kan kai ne sayan kuto a double tranche gati kan borai di kan visa nigi hin garo yisir nodin borbo bayan go ka ara kan yan mana chawote kan yan mana fonda gana iminen ge mu muka zama c'est un gain facile pour eux. Oh, Alors qu'ils seraient comme Goyno. Goyno. Goyno. Métier no. Sango fo au deno o yadno. Voilà. Mm. Et to burkul kaningo goyo berandi. Suba nigo ngwara. Mais c'est pas dans l'immédiat parce que nous on est pressé. On est pressé là. Son une pause musicale parce que nous avons la chance d'avoir une grande formation avec nous aujourd'hui sur cette émission. Et l'émission Aboubakar est consacrée à la jeunesse nigérienne. Eh, nous allons ensemble faire un maximum Iboulélé et toute la famille, un maximum de bruit pour l'artiste Galitane, Galitan, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. <laughs> Alors, nous vous souhaitons la bienvenue barkanku sannunku ya lahiya lau ça va bien la alhamdulillah musa meku biskan émission kin rabi vous avez discuté d'un certain nombre de choses ah, ah, aujourd'hui sur le deuxième angle nous avons la chance de vous avoir donc du coup nous allons parler de la musique nous ah, allons interpréter quoi s'il vous plaît mine ne zamu yanzu to kan da zamu dai bisa ad tarana ha wala khawla das ça veut dire euh, misali wagga duniya da da muke ciki hmm. wala khawla ai da da zabar mun ci da Hausa da komi wala khawla da kaman wala haula dai wala haula dai eh wala haula tunda na san dai haka zaka gane <laughs> don duniya wala haula eh don ka in kana son eh don waka ce wadda take kaman akwai trizon cikinta akwai abin da bai kamata ba cikinta ka san akwai abin da bai kamata akwai kuma na zamba ciki akwai kuma na kai hankali kuma da zaman tare da aboki kina hattara بعد كوفيد وما هترى هترى <laughs> يوا شيء نمو شو قومي أبو يوا دونك ولا خولة ولا خولة دنيا ولا خولة ولا خولة زمان دنيا ولا خولة ماكسيموم بلو سلو بري ولا خولة ولا خولة ولا خونا دغس ولا خونا دغس الدنيا تادنا الدنيا تادنا ولا خونا دغس ولا خونا دغس ولا خونا دغس أكيد سار الدغس أكيد سار الدغس كزدوزي فوق الدغس الدنيا تهدنا الدنيا تهدنا ولا خدها دغس ولا خدها دغس Nous parlons de l'art sous le avec Iboulele, mesdames et messieurs. واستنى تفلسا تدرا وميس السرا تزدوزي فوي قدغا تزدوزي فوي قدغا الدنيا الدنيا ولا خونا ولا خونا ولا خونا Oli, Toute la famille yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. Il va à jouer. Yalla. Nous sommes donc au niveau du CCOG pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant T vais juste rater la première série de questions posées à nos invités relativement au thème du jour. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Galicane. Merci, merci. Écoutons quelques avis de nos amis de l'émission Tous à la Fara. Et tout de suite, la suite. Si la musique nigérienne n'est pas écoutée, moi je pense c'est parce que les artistes en tant que tels ne réfléchissent pas pour se dire bon, on doit avoir une identité et cette identité, il y a des gens qui euh, doivent en être fiers. Donc ils ne prennent pas conscience de leur identité, ils font ce qu'ils veulent faire et à la fin, personne ne, s'intéresse à ce qu'ils font. Donc moi je me refuse de condamner euh, le consommateur, je condamne beaucoup plus le, créateur parce que tant que tu fais quelque chose de bien, c'est évident que ça marche. Origigi. nima de sonda hankan fonzonci emission o bam anen go ngi sigi bo kul condamné misali ga bore kayan hankan ane dide asiga te bore kayan goge musico te bombono sigi te hankan nan bore mi hankan wa a maran ha il faut no arwo arango te fonde ora pour que artiste me bore no produit de qualité pour que Niger Musico Irma Kadewa don Président. Oh, eh, mazema to kaina anasimu har hinkano anasimu association danga irma borai formé danga formation ono koine irma te promotion har hinkadin no gono to har hinkadin sanni goira danga formation o mato kaina da eh, le 2 novembre wana Irge Tchabé c'est comment porter un projet culturel Comment faire un montage de dossiers et Comment démarcher les festivals Comment distribuer ta musique en ligne ne dis zama hankun niga bai dinne ni music ko ni te cd niga ni munere nan kunna su portable yana kulo ayo ya dinga Il borai no stratégie. Hein. kan ga nan ba ni music ko te dinga ba ni mu dudale ara amantoni mi zama ni bai wato dinna album katarai dole no mi te CD ingan da cassette CD da cassette wato ne re 2000 francs CD cassette ga re 1000 francs 1000 francs walmo aga bisa yadin to hankuniya dinna kar kala ma te eh, ifo ni ne chambu funsiyan danji funsiyan CD zambar kulsa da gorin se din windora kasetu mu ni ga dangate petrol alhali amadu gati to inga no gati son fondai zamani tajo kanka haya kulu bargate internet to ya dinga il faut mu mu kan internet to irga irgonda bera e bera din mu irga zaban bore kan gaba zaman man ti dole no irga zaban bar kan gaba inga mu don se iga ka formation do irma chabi se zaman garan goga artiste formé de Un artiste sans formation artistique est un criminel en puissance. que l'artiste est le témoin. Ne aujourd'hui je pense que le Niger peut se vanter d'avoir des jeunes artistes talentueux et ouverts au monde mais pourquoi le monde justement ne s'ouvre pas à eux en un mot, pourquoi on ne s'exporte pas artistiquement parlant Aïkungwa tafar. Hmm. Oh. Berne berne jara ki sonda. Ber wofo. Original. bi koyo. Kwai bi. Original. Original. To. Eh danga artist ku kan borgadin. Aron godi. Formation ngon mat kan famandi sur le plan eh, dossier sur les wana bora structure mbo wana en tant que tel quand on pourra défendre dans le Kanouko, et même si tu dingban ko festival yambo, c'est le, le, le, le, promoteur du festival en tant que tel. Dossier Ngogon Kanik Samba, c'est quand il y a une organisation qui défendre, qui défend tes intérêts. Ngambo, c'est partant de là, quoi. Maintenant, à part ça, il y a un problème, il y mise en valeur, il y a un produit. Nangoir cinéma matos bob, matos bob. Donc, borfogonda, borfogonda, borfogonda.

l'union fait la force ay considéré que ni salan i bulele senganda bu kar parce que an charmorgo aro déjà aran fatira aran cebirsi karo aran te donu bon follon aran kunkuni charran odin to son irma wodin irga koyga hangan nim bumbo da se lompo librit irma du labariyan na bon da haren kan gote niger labora zade kan rabi emission obo hun hangan an kan dirse hey Nigérienne, Nigériens, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Amadou, colibri s'exprime. Vous vous rappelez certainement de l'artiste, mesdames et messieurs. Hier, il était avec nous. On a quand même eu tout ce qu'il y a comme information sur Amadou Polyhybride. Quand est-ce qu'il a commencé l'humour au Niger C'était en 2013. Alors aujourd'hui, sur l'émission Toussaint à la Fada, nous allons parler du parcours en question du combattant. Il a hérité, il a ça dans les veines, il a ça dans le sang. Alors, ta première scène, je me rappelle, tu m'as dit c'était en 2013 au lycée municipal. Effectivement. <laughs> Alors aujourd'hui sur cette émission, nous allons avoir, ou nous voulons avoir, ton parcours de 2013 à 2020. Parce que tu as défini le ou la Covid en ta façon. Alors on va parler justement de toi, de 2013 à nos jours. Parlons de ton parcours, mon frère. Euh, mon parcours, déjà, avant, euh, c'est à partir de 2017 que je me suis décidé vraiment à faire, à faire ça parce que oh, au, début, avant, je disais, je faisais ça juste à un moment donné, je disparais toute une année, mhm. je réapparais quand, parce qu'au lycée municipal déjà, mhm. j'ai laissé une signature. Donc ça fait que chaque fois qu'ils ont une activité, il faut qu'ils me cherchent. Mhm. Nous eh, connaissons ni Covid ou quoi OK d'accord après euh, c'était les études arrivé à la classe de terminale je me suis dit je vais abandonner ça je vais tout mettre à l'écart pour étudier mhm. j'ai fait une fois ça n'a pas marché deux fois ça n'a pas marché mais hey c'est pas l'art qui empêche ça <laughs> donc vaut me récupérer mon art c'est facile pour moi <laughs> Ok, eh ben, en 2007, j'étais revenu, je suis, je suis revenu, j'étais revenu avec force. Euh, ok, 2017. Tu, tu étais revenu avec quoi en 2017 Avec force. Avec force Avec force. Mais c'était quoi la force que tu avais C'est quoi Tu te rappelles un peu les textes de 2017 Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as présenté en 2007 sur la scène Tu te rappelles en 2007, c'était des skates que j'ai. Ouais, c'est quoi les sketchs Est-ce que je peux avoir un sketch sur cette euh, rubrique euh, que tu as présentée Le, le, euh, j'étais enseignant. je serai l'enseignant qui, qui, corrompu. l'enseignant qui sera corrompu par les élèves. Ok. Et, qui. À part après, Alcia va venir le prendre. Ok. Après ça, j'ai bénéficié d'une formation mhm. avec un grand réalisateur, réalisateur El Kebir, Mohamed El Kebir. El Kebir, je connais le cinéaste El Kebir, Effectivement, il m'a, par le biais de Coucou le Fou, Ok, c'est le fou, un des humoristes aussi. Un des humoristes. Ah. Donc j'ai reçu une formation pendant toutes les vacances. Et la même année, j'ai eu mon bac à l'écrit. Ok. Après avoir galéré Après avoir galéré. pas à la galerie, <laughs> après avoir galéré dans la vie euh, académique. Ouais, de la vie académique. Ouais, c'est pas chose facile. Jean les deux, moi je suis, aussi d'accord avec d'accord. c'est pas du tout chose facile. Là, nous étions en 2017. Après 2007, j'ai mis pied à l'université. Ok. Là où. Tu as mis ton pied à l'université Oui, parce que euh, c'est là que j'ai eu mon bac en 2007. Donc, après. C'est les deux pieds que tu as mis à l'université ou c'est le pied droit C'est les deux pieds. Ah, les deux pieds C'est les deux Ah, je pensais que l'autre pied est dans le monde de là Ouais, mais quand je rentre, euh, euh, je suis rentré avec le dépit. <laughs> Comme ça, l'autre était rentré vers la culture de, l'université. Et là, j'ai profité avec beaucoup de formations que donc, qui m'ont permis de sortir à l'extérieur uh-huh. pour bénéficier des formations avec euh, le Camerounais. Uh-huh qui, fait de l'humour, qui a même un comédie club. Le Cameroun est quoi Valérie Ndongo, merci. <laughs> <laughs> oh là là. Alors, à ta hein, une chose est sûre, hein. on sait que toute activité est difficile à exercer. Alors dites-nous euh, ce que tu as rencontré comme difficultés dans la vie artistique, euh, humoristique euh, ici au Niger. Euh, d'abord, c'est en premier lieu, c'est la famille. La famille. La plus grande difficulté. Le papa n'a pas du tout voulu que tu. Le papa n'a pas du tout voulu. Après, il a failli contaminer la maman. <laughs> Mesdames et messieurs, c'était donc l'homme polyhybride sur l'émission Tous à la Fada. En la rubrique, l'artiste s'exprime. Eh, prochainement, nous serons aussi avec d'autres humoristes sur cette émission. Pour l'instant, je préfère ne rien dire. Mustafa Yuba, merci pour la réalisation. Eh, Issa était là aussi. Lawali, merci pour la réalisation. Ah, nous vous demandons eh, de rester en compagnie eh. eh du eh. eh. programme eh. eh du studio eh. Kalangu Machine Talk It. À l'instant, c'était la rubrique où l'artiste s'exprime sur l'émission Tout ça, la Fada, la culture nigérienne. Comment venir à bout des obstacles qui freinent les jeunes Qu'est-ce qui a été fait pour les métiers de la culture ici par le politique Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi Adiza. Oui, ah, <laughs> Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qui reste à faire pour changer la donne Il faut d'énergie pour que nous fassions de l'aura, hein. pour que artistes, musiciens, peintres, humoristes, imiberandi. Eh, là, là, hankangi, hankangi, magati. Il solution au regati, il de kara, il artiste. Zama dir sende hankangi dirse, il nogi kerdi, dir di kerse, il me si danga kergunan de monde ma hinka duk da kyar sai midi afofo boro mutun boro da koya koy aka boro mo midi asam koy wallahi gisi ka gwamnati on bo hawi gadi o didi kan haya mongu kalinga ino kali artiste de kerano godi kerti wallahi rigu koy amma dirna e fundi baydan irdi kera ga mora irsu koy na kuli wono de amma halir gibrin funi kan barawo kai bo im dugu ba kirgin ter bonse to wallahi irmi kerdi ir artiste dir kera zama halir na hino da ngara wallahi askoy zamin ga waskani sai irmu akkanir sai dir gogati

Eh bien, grosse question ce soir, comment savoir si une information vient d'une source de confiance ou pas Amis de Tous à la Fada, est-ce que ça vous est arrivé de partager une information et après de se dire waouh, cette information elle est fausse C'est-à-dire, est-ce que ça vous est arrivé de partager une information et de regretter après Oui vous parlez des réseaux sociaux. bien évidemment, bien, sur les réseaux sociaux. Vraiment, et Dieu merci. Moi, jusque-là, je n'ai jamais eu ce, ce genre de problème. Parce que moi, quand je vois une information sur les réseaux sociaux, la première des choses que je regarde, c'est la source. S'il n'y a pas source, je ne la partage pas. Et même s'il y a source, et je veux m'assurer que la source, elle est vraiment valable. Quand on dit source, Kalangu, par exemple, je sais que Kalangu donne des informations fiables. Ça, ça mérite de l'applaudissement, voilà, c'est clair. <laughs> <laughs> Dans la chronique de ce soir, il s'agit de partager avec vous des astuces pour différencier une vraie information d'une fausse. Oui, les deux existent. D'abord, selon un article publié sur la radio-télévision suisse RTS, les informations, ce sont d'abord des faits une catastrophe naturelle, une décision politique, une découverte scientifique ou bien une nouvelle maladie que des journalistes portent à la connaissance d'un grand public. Et pour la plupart du temps, une information des, une information a des caractéristiques suivantes. Primo, elle concerne le public, représente un intérêt pour lui et elle est également basée sur des faits réels et ne se base pas sur un avis ou une opinion. Secondo, une rumeur peut devenir une information quand elle est vérifiée, confirmée auprès de plusieurs sources, que ce sont des experts, des témoins directs, des autorités, etc. En gros, c'est ce qu'on appelle source d'information. Comment savoir si ce qu'on lit sur, ou bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est vrai Selon la source que j'ai consultée pour un journaliste, les réseaux sociaux ne sont pas des sources d'information tout simplement parce que tout le monde peut y diffuser des informations. Pour y voir plus clair, il faut d'abord identifier l'auteur du message. Qui est l'auteur de cette information que je viens de recevoir Est-ce un média connu, réputé, fiable ou bien est-ce un site dont on n'a jamais entendu parler si l'auteur est inconnu, il faut alors se méfier et se fier aux médias traditionnels reconnus. Mais attention, même ces médias, les journalistes et les experts peuvent également se tromper. Il faut également vérifier la date de l'information tout simplement faire attention aux anciennes publications qui remontent. Le risque est de les considérer comme étant de faits nouvelles. Chers auditeurs et auditrices, il faut également se méfier des messages chocs. Il est important de ne pas se laisser piéger par nos émotions. Et enfin, ne pas se fier au nombre de partages sur le net. Ce n'est pas une garantie de vérité. En résumé, pour distinguer l'information de la désinformation, il faut pouvoir identifier les sources, s'assurer de leur fiabilité, déterminer si on a affaire à des faits ou bien à des opinions. S'interroger également sur la date de l'information, des images ou des vidéos, se méfier des phrases chocs qui suscitent une vive émotion et ne pas se fier au nombre de partages sur les réseaux sociaux. Je finirai cette chronique avec cette phrase du rappeur euh, ghanéen Sarkolien. J'aime bien le rap, comme plusieurs jeunes d'ailleurs. Le rappeur Sarkolien nous disait ceci Internet ne filtre pas les personnes qui s'inscrivent. Donc vous êtes garanti d'avoir toute catégorie d'hommes et de femmes ici. En gros, sachez à quoi vous fiez sur Internet. À la semaine prochaine pour une autre chronique informative. Merci à vous. Olivier, surtout quand euh, si vous êtes à Niamey, hein, si vous êtes à Niamey, faites gaffe, hein, il y a deux flics euh, qui vous guettent, le 005 et le 006. Merci, Mr. Olivier, pour la chronique. Nous sommes à la fin de l'émission. Origi original, vous êtes le président de l'ANASIM. Pourquoi au Niger On commence toujours bien et regresser plus tard. C'est l'exemple du cinéma avec Oumaruganda, Ganda, qui était le premier lauréat en 1972 du prix de la critique internationale FESPACO, Festival par africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec le oiseau polygame depuis 1972. Moins de succès pour le Niger. Pourtant, nous avons des jeunes cinéastes comme Bouba qui se donnent de corps et âme. C'est le manque de vision euh, de la part de nos gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a des talents purs, hein, n'est-ce pas Irma Bouba, qu'est-ce qu'il faut faire une phrase, Nous sommes à la fin de l'émission. Si, dans les années 70, ça marche que ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que dans les années 70, euh, là, il y avait non seulement la conviction, il y avait l'amour et il y avait l'accompagnement du gouvernement. Adiza, nous, Borno, nous sommes nous sommes ici, soka fa ine artiste woyboro no ceen funu nu gonda niger talato me aga pat za bene tala ganda pour que berenda 10 il va venir berendi. to il faut te berandi goy kul goy magar ko wani no kan go sunga mm. goyno asinde woyboro asinde alboro on ko ne go dimi man goti we bora izino kagwa gidu ayisa ko jini higa te e higa mboho irko do gazu mandam tibi e eh, fala no eh ya igwo jinga ize kendirgo gide SFPM igwo konda information im ko di music ay ifo baga to de man tigo di kan bora go ko jini isati magana ya kari neno mashino ngan dabora igena aran se kalhino sato no adi kande sani fogo tonanda arando hey